le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio forum forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozirine, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Nous sommes toujours sur le bilan de l'année 2016 qui vient de s'écouler. Nous nous intéressons pour ce dernier numéro de la première semaine de janvier au secteur de l'élevage avec un accent particulier sur la campagne pastorale avant d'aborder les autres points saillants de l'année. La campagne pastorale, disons tout de suite qu'elle n'est pas bonne. Selon des chiffres publiés dans le bulletin de novembre-décembre 2016 du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA, Niger, le Niger a enregistré un déficit fourragé global de l'ordre de 12 200 000 tonnes de, manière, euh, de soit environ 48% des besoins, sur des besoins globaux théoriques de l'ordre de 25 600 000 matières sèches. Le disponible fourragé de l'ordre de 13 millions. Le président de la République a également reconnu la situation en présentant ses vœux de nouvel an aux Nigériens, mais il a promis d'apporter des solutions nécessaires. Pour sauver les cheptels des conséquences du déficit pastoral, il est urgent de mobiliser urgentement euh, au moins 40 000 tonnes de matières sèches. Les écarts entre le disponible fourragé et les besoins réels de consommation montrent que ce déficit est surtout prononcé dans les régions de Difa, Tawa, Tilabiri et Niamey. Et selon les experts du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la situation pastorale de cette année mérite d'être suivie de près. Nous allons en parler et nous allons vous faire revivre certains moments forts de 2016 en termes de dispositifs mis en place pour soulager les éleveurs, en termes de manifestations comme la Cursarée par exemple, ou encore des nouvelles un peu plus malheureuses comme les bagarres qui ont opposé agriculteurs et éleveurs récemment dans la commune de Bangui à Tawa. Tout cela avec vous, bien sûr, chers auditeurs, mais aussi avec nos invités qui ont bien voulu nous accompagner. Il s'agit à ma droite de M. Haruna Barchi qui va se présenter. Bonsoir Haruna. Bonsoir. Vous êtes, euh, vous représentez l'AREN. C'est quoi l'AREN Oui, je suis Haruna Barchi. Je représente l'AREN. L'AREN, c'est Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, où j'occupe le poste de responsable du pastoralisme et de l'environnement. C'est une association uniquement destinée à l'élevage. Oui. Euh, à ma gauche, il y a M. Mohamed Al-Mansou. Bonsoir, Mohamed. Merci. Je suis le secrétaire général de CAPAN. Le CAPAN, c'est le collectif des associations pastorales du Niger. Voilà, euh, malheureusement, nous n'avons pas la partie étatique, mais vous allez suivre quand même quelques explications des ministres et autres euh, mhm. directeurs techniques. Alors, on va juste aller au détail tout de suite. Je disais tout à l'heure la situation telle qu'elle se présente c'est une situation de déficit avec euh, un besoin de euh, théorique hein, de 12 millions de tonnes de matières sèches dont vous avez besoin pour le bétail. C'est ces chiffres que vous avez aussi, non euh, Monsieur Haruna, quel est votre commentaire sur le déficit <coughs> tel que annoncé Ok, merci Monsieur Hamodo et merci à Kalango pour nous avoir appelés pour vraiment nous demander nos points de vue par rapport à cette situation. Effectivement, c'est ce chiffre que nous avons au niveau, en termes de bilan, donc 12 millions de tonnes de matière sèche. Je crois que euh, nous, on n'est pas surpris de ce déficit parce que, voyez-vous, nous avons enregistré les premières pluies en avril-mai dans certaines zones. Et lorsqu'il y a eu ces pluies, il y a eu une rupture alors même qu'il y avait déjà des herbes qui ont poussé. Il y a donc une rupture de pluie et tout ce qui a poussé s'était asséché. Si bien qu'au retour important de, la pluie, il n'y avait pas de grains pour pousser encore. Donc les semis sont déjà poussés, si bien qu'il n'y en a plus. Donc dans ces zones, le, terrain est resté nu. Cela veut dire que nous nous attendons déjà. Donc c'est même le résultat, on n'est pas surpris en tout cas de ce, de ce déficit-là peut-être le montant. C'est le facteur naturel. Ça, c'est clair. On n'est vraiment pas surpris. On s'attendait à ça. Certes, c'est beaucoup. Peut-être on, s'attendait à beaucoup moins, peut-être vers 9 000. Mm. Et voilà que c'est 12 000 tonnes de matière sèche. 12 000 tonnes. Euh, Mohamed Damassour, vous aussi. Oui. Euh, quel est votre commentaire rapidement oui, oui. Le euh, commentaire, vous, imaginez, ne peut pas être très loin du commentaire de Haruna, parce que nous sommes sur la même thématique au niveau de collectivisation pastorale. effectivement, comme il a dit, il y, a eu, des pluies, il y a des interruptions, il y a eu un vent qui a tout asséché. Et vous savez également que nous avons euh, de plus en plus une pression aussi sur les ressources, liée aussi à la question de la sécurité. Vous savez que nos éleveurs, dans certaines zones, surtout dans, toute la bande nord, etc., ont des difficultés à accéder aux ressources de ces zones-là. Ce qui fait que souvent, il y a des pressions sur euh, ces ressources-là. Hmm. Euh, c'est des situations vraiment naturelles, euh, mais qu'on connaît depuis longtemps. oui, mais il y a quand même des facteurs aggravants. Hein. Oui, lesquels <coughs> C'est l'insécurité. Parce que voyez-vous, par le passé, en cas de déficit, nous avons la possibilité de mouvoir nos animaux vers les autres pays. Aujourd'hui, l'insécurité dans la zone de Difa, particulièrement dans le Nigeria, le bétail de Difa ne pourra pas aller l'insécurité au nord du Mali, le bétail du Niger ne peut pas aller. Donc, au, contraire, au contraire, c'est le bétail de ces zones-là qui rentre donc pour augmenter la, surcharge sur le peu qu'il y a. Euh, donc il y a l'insécurité. question, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui aggravent en mm, dehors de, l'insécurité Il y a les, phénomènes de changement climatique, parce qu'il ne faut pas les, nier. C'est une chose aussi. Vous savez, cette année, l'année 2016, il y a eu des inondations dans la zone dans la zone d'Ingal, la zone oui, oui, des inondations, il y a des effets qui ont eu des effets et nous pensons même probablement que même la maladie de la voie de rift est liée à ces, inondations-là où des cadavres étaient pratiquement dans les mares, n'ont pas été enterrés, etc. La mauvaise répartition selon les régions. Il y, a une, mauvaise répartition des ressources. Oui, justement, alors les régions les plus concernées par ce déficit, euh, qui sont citées dans le rapport, de, dans le bulletin de OCHA, et avec lesquels vous vous accordez, c'est DIFA. Après DIFA, il y a Tawa, Tilaberi et Niamey. C'est peut-être pas dans l'ordre, mais euh, c'est les régions les plus citées. Et même dans les rapports du ministère, hein, le oh, ministère a fait une évaluation aussi. Oui, il fait une évaluation, effectivement. Oui, c'est des chiffres en relation avec le ministère, voilà. Alors, quels sont euh, les. Comment par exemple, prenons DIFA, vous avez parlé de l'insécurité. Quelle est la situation euh, C'est beaucoup plus net que le bilan global Comment vous dites Quand vous prenez DIFA, oui. Oui, comment ça se présente actuellement Voyez-vous, à DIFA, on parle. En termes de déficit, puisque parce que le déficit, selon les régions. Le déficit est calculé sur la base du cheptel nigérien. Il se trouve qu'à DIFA, il y a bien autre bétail qui est là, donc on ne connaît pas l'effectif. Donc le bétail des le Nigeria dont vous avez parlé. Donc c'est ça en fait qui fausse le calcul. C'est pourquoi j'ai appelé ça un facteur aggravant par le passé, le, bétail du Niger même pouvait partir quelque part, donc ça diminue la charge. Maintenant, non seulement le bétail du Nigérien reste, mais aussi le bétail du Nigeria vient. Donc pour augmenter la charge sur le peu de ressources qu'il y a. Donc en fait c'est ça. Donc c'est pour dire que normalement le déficit est beaucoup plus important que ça. Que Seulement ils ont tenu compte du bétail nigérien alors même que ce n'est pas seulement le bétail nigérien qui. est. Donc il y a la surcharge à DIFA nous euh, progressons vers Tawa, par exemple. À Tilaberi, à Tawa ah, aussi. mais là, il n'y a pas d'insécurité, entre guillemets. Si, si. Vous <laughs> connaissez quand même la situation qu'il y a Mali. qui est concernée. Bon, la bande malienne qui est concernée fait frontière avec Tawa et Tilaberi. Vous voyez bien le Mali, c'est là où il n'y a pas d'État aujourd'hui. Si tu prenez depuis Ansongo, en Songo, et vous prenez, vous, allez le côté est jusqu'à la frontière, jusqu'à l'Algérie, hein, c'est vraiment l'insécurité pure et dure, il n'y a pas l'État là-bas. Mm. C'est des mouvements de narcotrafiquants qui, qui sévissent là-bas. Mm. Et les éleveurs qui vont aller là-bas, c'est à des risques et périls. On peut se passer de la région de Niamey, par exemple Vous savez. Euh, Vous voyez. bon, je, reviens par rapport à ce qu'il a dit. C'est qu'effectivement, par rapport à l'insécurité, même dans la zone nord de la Berry, etc., en avril 2016, hein, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont descendus. Parce que nous avons l'habitude de faire des rencontres dans les zones, dans les zones nord de la Berry. Beaucoup d'éleveurs étaient descendus en avril. Les éleveurs qui avaient d'habitude, qui restaient d'habitude dans les zones nord, dans les zones nord, dans, au niveau du Mali, etc., en avril, ils étaient obligés par rapport à la sécurité. Vous voyez, c'est un phénomène qui force, comme il a dit, les, calculs internes. Et ça peut amener aussi d'autres conflits hein, par rapport à cette question. C'est pour vous dire que il y a plusieurs phénomènes. Il y a des phénomènes endogènes, exogènes, qui font que, qui expliquent que effectivement, il y a, ce, déficit-là, il, y a ce problème en tout cas. Mm. Donc la situation n'est pas bonne, tout le monde le reconnaît. Quelles sont les solutions immédiates qui sont préconisées, qui au-delà sont en train d'être mises en application Bon, nous au niveau de nos structures, c'est la sensibilisation d'abord. Il faut bien que les éleveurs sachent tous que ça ne va pas. Le déficit est important et il faut bien que les gens réfléchissent. Les, réflexions peuvent être peut-être un déstockage stratégique pour essayer quand même de s'approvisionner tôt avant que les aliments bétail ne coûtent cher. Mais ça, c'est un déstockage stratégique, oui. stratégique, ça veut dire faire ça tôt avant au moment où ça se vend, ça se vend de manière euh, normale quoi. Ah, au lieu du déstockage d'insécurité. Oui, mais dans les zones il a pas de où la campagne n'est pas bonne, c'est encore plus difficile. Non, quand on dit déstockage stratégique, c'est que les animaux sont encore en forme, et vous choisissez des animaux qui vont quand même apporter peu, vous les vendez là où le marché apporte encore plus. Comme ça, vous faites votre, votre stock. Ça peut être un aliment bétail ou un aliment humain. En tout cas, tout ça, en tout cas, c'est des stratégies. Donc, autre chose, oui, oui, ça on le fait. Autre chose, à notre niveau, nous approchons, nous avons déjà approché nos partenaires pour leur dire que voilà la situation et voilà les facteurs aggravants. Donc faites vite pour qu'on ait des aliments bétail et les disponibiliser à des places stratégiques. Donc pas dans les grandes villes, là où sont les éleveurs. Donc c'est des stratégies comme ça, c'est des sensibilisations comme ça hmm. que nous menons. Mohamed, vous aussi c'est la même chose On travaille ensemble hein, dans cette thématique-là. Effectivement, il y a cette question de, de stockage stratégique avant le stockage humanitaire, parce que le stockage humanitaire, quand il vient, ça veut dire que l'animal coûte 5 francs et souvent les ONG peuvent la racheter pour les éleveurs. C'est pour vous dire que l'autre aspect, c'est que c'est des solutions euh, conjoncturelles, ce genre de solutions. C'est bien, chaque fois on le dit, il faut le faire. Mais il y a d'autres solutions. Par exemple, les questions de ressources naturelles, les rentes privées. la prolifération des rentes privées. Vous allez trouver une personne ou de, quelques individus qui clôturent tout un espace pastoral. Ils privent les éleveurs d'accès aux ressources. Nous voulons que cela aussi, que ces ranches privés soient démantelés pour que les éleveurs aient la latitude de se mouvoir, aller là partout où ils veulent. Quand vous prenez dans la région du département de Dabala, il y a jusqu'à 6 Dans, dans, la, zone de, Dabala, à ma connaissance, il y a trois. Il y a encore des tentatives d'en créer d'autres. Et vous convenez que ça fait moins aux éleveurs. Donc, pour d'autres, pour question de stratégie, il faudrait que les ranchs privés qui sont illégaux en zone pastorale, qu'ils soient démantelés pour que les éleveurs puissent accéder aux ressources naturelles. Vous en parlez à qui des droits Absolument, absolument. Arène est là, absolument, on en parle. L'autre aspect, c'est même en zone agricole, il faut libérer. Quand vous parlez de c'est peut-être des éleveurs eux-mêmes Oui, des éleveurs ou des gros commerçants. Bon, euh, les commerçants, j'allais dire, euh, etc. Parce qu'ils ferment les, pendant la saison pluvieuse, ils ferment leurs matchs aux autres éleveurs. Quand ça ne va pas dehors, ils ouvrent pour leurs propres animaux. Ce qui n'est pas, ce qui est une violation de la loi pastorale. J'ai dit que par rapport aux, éleveurs, il y a aussi des enclaves et d'autres ressources dans, en zone agricole qui sont parfois morcelées, cultivées, etc. etc. Il faut que ces ressources-là soient libérées pour les éleveurs. Pour que l'éleveur, partout où il va, ce n'est pas des solutions à long terme, euh, ce que vous préconisez là C'est une question de volonté. C'est pour vous dire que c'est pour que je tout là, de solutions conjoncturelles. J'aimerais parler de solutions durables. Oui. Parce que, ce qui appartient à l'hiver, les ressources qui appartiennent à l'élevage, destinées à l'élevage, il faudrait que dans un temps proche, oui. partout au Niger, qu'elles soient libérées pour l'éleveur. L'éleveur qui a dit fois qu'il puisse descendre à Zender, aller dans un enclave pastorale, oui, ça, c'est une stratégie aussi bien du capane que vous êtes que de l'arène. Mais concrètement, ici, je parlais du président de la République qui a reconnu la situation dans son message à la nation et il a, parlé, il a promis d'apporter les solutions nécessaires. Dans l'immédiat, sur quoi vous êtes convenu avec l'État Bon, pour le moment, on n'a pas eu de séance de travail. Nous savons que l'État est en train de travailler. Depuis l'évaluation Depuis l'évaluation, on n'a pas encore eu de séance de travail. En tout cas, je ne sais pas s'ils si ont approché Capan. Nous avons travaillé un moment, mais depuis l'évaluation, nous n'avons pas encore. Ils ont juste présenté le bilan et maintenant, chacun est en train de travailler de son côté, à ce que je sache. Maintenant, parce que moi je suis d'accord avec le discours du président, il faut que quelque chose soit fait et rapidement. Mais il faut quand même euh, dire certaines choses parce qu'il y a là où le bas blesse. Parce que quelque part, eux, ils disent qu'il faut 40 000 tonnes pour soutenir le bétail du Niger, alors même qu'on a 12 millions de tonnes de déficit. Voyez-vous, ça, c'est des calculs que moi, nous, l'urgence peut-être. Nous à l'arène, on ne hein. partage pas 40 000 tonnes de matière sèche de façon qu'il faut mobiliser urgemment. justement. Oui. Justement, c'est la base de leur calcul. Eux, ils visent les laitières, etc. Tu penses que le cheptel, c'est une richesse, c'est une richesse pour celui qui l'a. Et c'est l'ensemble qui constitue sa richesse, c'est pas seulement les, richesses, la, les en fait. Donc il faut revoir ce calcul-là parce que pour un déficit de 12 millions, on dit d'amener, même si c'est un million de tonnes qu'on dit qu'on va amener, voyez-vous, c'est pas trop, hein, a fortiori. Parce qu'à l'époque, c'était euh, d'autres conditions. Ils se disent que tel pourcentage pourra aller au Bénin en transhumance, tel autre pourra aller au Niger en transhumance, etc., etc. Alors que euh, cette année, c'est des problèmes de transhumance dans deux pays au moins. Et ailleurs, même la transhumance n'est pas facile, même si il n'y a pas la guerre là-bas. Au Bénin, c'est d'autres conditions. En, au Togo, c'est encore d'autres conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc, c'est pour dire que c'est bon de mobiliser quelque chose, mais c'est bon de mobiliser quelque chose d'important. C'est ça qui est, nécessaire. Hmm. Monsieur Mansour du, Capan. Effectivement, c'est je le pense très franchement. 40 mais il Ils c'est très peu. Comme le dit, souvent les calculs. Mais le problème dans, ce pays, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des indicateurs par rapport aux éleveurs. C'est vrai dans l'agriculture. Dans ils ont vraiment des, stratégies et d'autres modes pour faire des calculs, etc. Mais l'élevage, c'est un problème. Maintenant, vous allez voir qu'on ne parle même pas de la, vulnérabilité de l'éleveur. Là, l'agriculteur, il a un champ, il, a, sa famille. L'éleveur, il a des animaux, c'est des êtres, c'est des êtres vivants qui veulent manger. Il y a l'éleveur aussi qui veut. Donc, la vulnérabilité de l'éleveur, souvent, n'est pas prise en compte dans ces questions de crise. On voit peut-être l'animal, mais on ne voit pas l'éleveur. Puisque l'éleveur dépend, sa, survie dépend de la, de, la vente de l'animal, dépend de la situation fourragère, dépend de, de beaucoup de facteurs liés à l'animal. Mais quand ces facteurs tombent. Vous, avez discuté avec l'État pour l'immédiat. vous avez eu des rencontres avec l'État On en a des rencontres. on parle régulièrement avec le ministère de l'élevage, on participe à beaucoup de rencontres, on, échange, on fait, comme l'a, dit Aaron, on fait des rencontres de sensibilisation, etc. C'est, des choses que nous disons régulièrement avec Abarchi, à, Cette année, vous n'avez pas discuté des solutions immédiates. Vous, Kapan Cette année, nous avons participé à des rencontres où nous allons soulever ce genre de préoccupations. Et l'État, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État a reconnu qu'il y a un déficit. Et comme l'a dit Abarchi tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut agir vite. Il ne faut pas attendre que, que la situation s'empire pour agir. Et parfois, même, même l'action de, faite à l'endroit des éleveurs d'aliments bétail pour les animaux, souvent là où on place l'aliment bétail est distant de là où sont les animaux. Parce qu'il y, a certaines périodes, vous ne trouvez pas l'animal dans un département. Mmh. alors, dans le cadre justement de, de, la recherche de solutions, euh, il faut dire que le gouvernement a pris il y a quelques mois en Conseil des ministres un décret pour réglementer le ramassage le stockage et la commercialisation de la paille. Mhm. Sur l'importance de cette décision, je vais vous proposer de suivre hein, mhm. avec nous le ministre de l'élevage juste après l'adoption du décret. Nous l'écoutons. La paille est une ressource foragère nationale qui a beaucoup d'acteurs qui subit beaucoup de pression, qui génère beaucoup de conflits. Donc pour toutes ces raisons-là, le gouvernement a bien voulu réglementer cette ressource qui est extrêmement importante compte tenu de l'exploitation abusive, archaïque et irrationnelle dont elle fait l'objet. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la paille est ramassée pour être exportée au-delà des frontières du Niger, alors que l'État du Niger dépense des milliards pour les aliments bétail. Donc c'est pour cela que le gouvernement a bien voulu prendre un décret pour réglementer la gestion de cette ressource fourragère. Mais quelles sont les zones concernées et comment appliquer les décisions de ce décret Retrouvons le ministre Mohamed Bouchard. Les zones textuellement pastorales, là, il est strictement interdit. Il n'y a personne qui peut autoriser son ramassage. Maintenant, les alentours des communes, les maires par la commission foncière peut prendre des décisions pour réglementer, par exemple, les ramassages de sarpailles au profit des animaux appliqués au niveau des villes. Maintenant, même si la commune autorise, il y a les services de l'environnement, les eaux et forêts. C'est eux qui, qui, peuvent dire que voilà cette décision et voilà la quantité que tu dois prélever. Si le, décret est mis en application, s'il y a des insuffisances, on peut prendre un des, un des arrêtés pour essayer de préciser des cas qu'on aura constatés qui doivent être précisés par un arrêté conjoint du ministère de l'élevage du ministère de l'Environnement. Voilà, le ministre de l'élevage, euh, le mois de septembre, le mois de septembre dernier, sur euh, l'importance euh, du, ramassage, de la réglementation du ramassage, du stockage et de la commercialisation de la paille. Ça, quand même, c'est une des solutions immédiates à Barchi, vous qui de la reine. Même si vous n'avez pas eu de rencontre avec le gouvernement jusque-là, c'est quand même une solution immédiate vous savez, ça, ça se Et Vous êtes d'accord avec euh, nous sommes ce, qu'il a expliqué, oui. Oui, oui, mais ça, ça, existe déjà dans la loi pastorale de 2010. Donc, c'est une question d'application. Une décision est prise, mais son application, c'est autre chose. En réalité, l'applicabilité de ce décret-là, nous, on attend voir. Ça, c'est clair. Sinon, si. Jusqu'à présent, il a parlé de décret d'application. Hein. Bien sûr, j'ai dit l'applicabilité du décret même. Oui. Au-delà de la théorie. Oui, de la théorie à la pratique. Mhm. C'est là où le bas blesse en réalité. Parce que nous voyons, même aujourd'hui, la paille en train d'être ramassée en zone pastorale. Je dis bien en zone pastorale. Qui ramasse C'est encore les éleveurs Ce sont les sédentaires qui amènent ça dans les grandes villes pour vendre. Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais il y a les éleveurs aussi. Bon, moi, je ne sais pas. Peut-être les éleveurs de vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est des agriculteurs qui sont en train de voir, en train d'acheter et vous pouvez même vous mettre là au bord du goudron qui quitte Walam, là vous allez voir des charitiers en gogo. Vous n'allez voir aucun éleveur normalement. Je dis bien normalement. Ça c'est clair. L'applicabilité cause autre chose. Mais du point de vue théorique, c'est bon. Oui, mais la paille, c'est un bien pour tout le monde, non Bien sûr que c'est un bien pour tout le monde. Si quelqu'un le prend, il en fait son bien. Est-ce que c'est bon C'est ça toute la question. Bon, moi, je connais des agriculteurs qui ont qui ont mis en valeur leur champ et qui ont quand même le droit d'exploiter cette paille-là. Ça, c'est clair, vous avez bien dit leur champ. Ça, c'est différent. Ici, on parle véritablement dans l'espace pastoral. Donc, un bien commun à tout le monde, tous les éleveurs, tous les agriculteurs, tout le monde qui veut utiliser. Mais si tu prélèves pour en faire, en tout cas, pour commercialiser, en faire un usage privé ou personnel, c'est ça qui est interdit par, par ce décret-là. Malheureusement, le respect, c'est autre chose. La loi est très claire là-dessus et vous connaissez bien les zones La loi est très claire là-dessus, mais il n'y a pas une loi pour une zone. Hein. La loi, quand elle est votée, c'est pour tout le pays. Eh, monsieur Almansour, vous qui êtes du CAPAN, eh, est-ce que le décret est mis en application Oui, par rapport au décret de, de, Sur euh, la, gestion de, la paille. Le, décret de l'agent de la paille devrait, de mon point de vue, puisqu'il est, adopté, les prix, il devrait être mis en application. Comme l'a de je ne pense pas qu'il soit mis en application. Et même dans les décrets, j'ai suivi le ministre, quand vous prenez l'article 3 de la, du décret, section 1, en zone pastorale, on a dit le ramassage de la, paille est, interdit en zone pastorale. C'est l'article 3 qui le dit. Mais il y a une ouverture. Il dit toutefois, il peut être utilisé pour l'animation des animaux au piqué, en zone pastorale. C'est l'article qui le dit. Mais tout cela doit. Et le ramassage, le dans tous les cas, il dit le ramassage il ne doit pas excéder l'équivalent de la charrette, la charrette asile. C'est le décret le dit. Mais le problème, là, c'est qu'on dit aussi que l'autorisation doit être accordée par les maires. C'est-à-dire que les maires doivent prendre une, un, arrêté pour un peu réglementer tout ça. Et nous savons que nos, nos mairies aujourd'hui, je ne vois pas une mairie aujourd'hui en zone pastorale face à, à, ses intérêts divergents, etc., qui peut quand même sécuriser cela. Et en zone, et en zone agricole, on, dit que le ramassage de la paille est subordonné à, à, but commercial à une autorisation certainement moyenne que ce soit en zone pastorale. Donc, il, y a, la difficulté d'application. Oui, c'est que j'ai doute fort. Où se trouve là le, le, problème, le véritable problème pour l'application C'est l'État qui ne joue pas sa partition. est J'allais dire, quand, un, texte est pris, il revient à celui qui l'a pris de, le mettre en application. Ce pas à l'éleveur de le mettre en application. Moi, en tant que l'éleveur si je vois quelqu'un enfreindre une loi, mon devoir, c'est peut-être d'aller dire que j'ai vu, euh, des gens couper des arbres et l'autorité agit. Je ne peux pas aller les attacher, ni les emprisonner, ni les taper. Vous voyez Donc, celui qui a pris le décret, qui doit les faire appliquer. Je pense que aujourd'hui, ce décret-là, nous, nous, avons, nous l'avons, en, tout cas, nous avons informé beaucoup de gens, les éleveurs, par rapport au décret, le texte, est devant moi. C'est que comment faire pour que les mairies qui doivent prendre euh, un acte en, impliquant la commission foncière. C'est une question que vous vous posez. Oui, oui. Je, me pose cette question parce que j'aimerais que, que cette mairie, parce qu'on ne peut pas aller sans que le maire ne prenne ses responsabilités au regard du décret qu'il prenne cet arrêté-là pour réglementer. Pour réglementer. On lui donne cette, chance, cette ouverture pour réglementer. On ne ramasse pas la peine n'importe comment, on ne, vend pas la peine n'importe comment, mais, etc., euh, etc. Et on dit que l'arrêté, il y a un arrêté du maire. L'autorisation de massage est accordée par le maire après avis de commission foncière. Nous, retenons en conclusion que la loi, même si elle est bonne, le décret c'est une bonne chose, mais malheureusement, il n'est pas appliqué, si je vous comprends bien. Oui, moi je pense qu'il que Donc... il y a quand même un guise-roche, même dans le décret. Voyez-vous, pour certaines ressources, par exemple comme le bois, mais on n'a pas mis ça dans la main de la mairie. Il y a des agents des eaux de forêt. Tout celui qui achète une charrette, en tout cas les agents des eaux de forêt sont à la porte. On vient, on te prend ça, on te taxe, on te verbalise, etc. extra. Et ça, les gens ont bien compris. Hmm. Pourquoi ne pas faire ça comme ça il y, a, beaucoup d'écueils. Voyez-vous, c'est comme si, bon, on fait ça juste pour dire, bon, on a on A fait ça c'est vous qui le dites. Mais on va continuer et pour dire que l'État est en train toujours de faire quelque chose, en tout cas pour booster le secteur de l'élevage. Et pour cela, nous allons aborder la question de la cure salée. Elle a eu lieu le 23 septembre dernier à Ingal, dans la région d'Agadez. La cure, c'est la cure salée, c'est la grande fête annuelle des éleveurs. C'est des retrouvailles, c'est des cérémonies euh, pour s'organiser et c'est l'occasion aussi pour l'administration d'informer et de sensibiliser les éleveurs pour soigner leurs animaux notamment. Je vais vous proposer d'écouter le préfet Dingal sur cette édition dont il considère qu'elle a bien réussi. Nous l'écoutons. Les activités se sont bien passées. Cette année-là, la Kirsalé s'est inscrite sur la solidarité avec Ingal et ça, c'est extrêmement important pour nous. Le 14 juin 2016, nous avons eu des inondations qui ont eu des bilans lourds sur euh, la population, surtout sur notre économie locale. Des ambassadeurs chargés des missions sont venus pour nous soutenir. D'habitude, à Ingal, on s'occupe moins des éleveurs et cette année-là, ça a été extraordinaire. On les a approchés, on s'est occupé d'eux, on a amené 200 tonnes riz et sur les 200 tonnes, ils ont eu 130 tonnes. Uniquement les éleveurs qui sont venus participer. Avant, ils, à peine, ils avaient 15 tonnes. Et aussi 38 chamel euh, chamelles plus un, chamelon et 76 vaches plus 20 euh, veaux. Donc, c'est qui est vraiment, qui va soutenir des ambassadeurs qui étaient venus, des occidentaux. Ils ont circulé, ils ont visité les stands très bien. Ils ont même dansé de la musique, ce qui est extraordinaire. S'il y avait de l'insécurité, ce qui est sûr, on n'aura pas ça. Voilà, le préfet Dingal, après euh, l'organisation de la cure salée, c'était en septembre dernier. Monsieur Mohamed oui, Mansour, vous du, vous avez participé à la cérémonie. Hein. le CAPAN a, travers, a participé. Et la cure salée, vous reconnaissez que quand même c'est une manifestation importante la Cure salée est une manifestation importante. Oui. Et, j'ai suivi le préfet, il dit que même les gens. Elle contribue à la redynamisation du secteur de l'élevage. en tout cas, elle est importante du point de vue parce que les, des Nigériens se retrouvent. Et moi, je suis de ceux qui pensent que il y a, quand même trop de, folklore ou de la politisation autour de la chrysalide. On se retrouve, on fait de longs discours, on fait de louanges de X, et Y. Ça, c'est la cérémonie protocolaire, mais en amont, il y a toute une organisation. Vous voyez, Et après, on, dit, bon, voilà. Moi, je pense que c'est très bien, c'est très bonne chose que des Nigériens se retrouvent, que des élèves se retrouvent. Mais les élèves qui se sont retrouvés là-bas, il représente combien par rapport aux élèves qui, sont, n'ont pas pu aller, qui ne sont pas partis, qui ont besoin de la vaccination non, on, mesure en termes de d'assistance en d'assistance c'est oui, qui, ont besoin en termes de participation vous avez vu le préfet il a dit que là on a, a fait telle chose on a vacciné un etc etc qu'est-ce que cela représente par rapport à tous les élèves qui ne sont pas partis en Galles c'est pour vous dire que moi j'aurais voulu je préfère qu'on laisse la cure salée dans sa qu'on revient euh, à la question d'antan, effectivement, où la crise à l'époque, n'était pas un événement euh, politique, folklorique, etc. etc. C'est un événement, j'aurais voulu que la crise soit un événement où les éleveurs, etc., leurs chefs de tradition, etc., discutent, échangent franchement avec l'administration pour dégager des solutions. Franchement, discuter à, bâton rompu avec l'administration pour que des solutions euh, sortent. Mais ce que j'ai dit, il faut revoir la chrysalée pour que le soit au centre de la, la Dans le cadre de la Vous êtes quand même un acteur. Euh, j'imagine que vous participez à l'organisation. de Oui, nous vous participons dans le cadre d'un comité national, comité national, etc. Et vous voyez tous ceux qui pilotent, parce que de plus en plus, euh, c'est que vous le dites, ce que vous dites, dans vous le dites. De plus en plus, les éleveurs veulent qu'ils participent activement ou qu'ils agonisent eux-mêmes la chrysalide. Ils, ils en ont la capacité. mais qu'est-ce qui manque dans l'organisation vous parlez de caractère folklorique. Qu'est-ce qui manque Pour moi, la, Par exemple, cette édition passée, pour qui moi, la cristallée, d'une manière générale, c'est une tribune parfois où les gens viennent, ils font des discours, n'est-ce pas Ils, ils, magnifient X, Y, etc. etc. Je, préfère qu'on quitte ce, cadre-là pour aller vers un cadre vraiment plus pratique où le lever, et les là discutent avec l'autorité politique, échange autour de ses propres problèmes, il trouve des solutions extra, il suit et qu'il puisse participer lui-même à l'organisation ou qu'on leur donne la chance eux-mêmes d'organiser. C'est possible. Vous voyez les, marchés, les marchés à bétail, les marchés, les taxes de, de, les intervenants, j'arrive, les intervenants là. Pourquoi les éleveurs, eux, ne sont pas associés pour qu'ils soient eux-mêmes, puisque ce sont leurs animaux, extra nous retenons avec vous que ça a plus un caractère folklorique. Ah, en tout ah, cas, pour l'édition passée, c'est votre Pas pour l'édition, moi je parle de façon générale. Pas, on va revenir sur, façon générale, les autres aspects. La doit être revue, repensée. D'accord, revue, repensée. Euh, je vais juste donner quelques, quelques modifications pour dire que l'intervenant n'était pas le préfet, mais autant pour moi, c'est le maire d'Ingal donc celui que nous venons d'écouter. Monsieur Abachi, vous, qu'est-ce que vous pensez de la, de la cure salée Est-ce que ça a son caractère d'antan C'est clair que l'événement n'a pas son caractère d'antan, mais il demeure quand même important de mon point de vue, parce que il y a quand même, c'est un cadre de contact avec les autorités de haut niveau, avec les éleveurs. En tout cas, tout le monde, puisque c'est ouvert, tous ceux qui sont allés. Tout celui qui veut aller, participe et il a en tout cas la chance d'entendre certaines choses de la voix de certaines autorités de haut niveau. Par exemple, le Premier ministre, par exemple, le gouverneur, etc., ou le ministre, tout ça là. Donc, s'il y a des stratégies nouvelles ou bien des politiques nouvelles liées à l'élevage, c'est le moment qu'ils les entendent et qu'ils les dispatchent. c'est justement le cas de la gestion de la paille. Euh, si L'intervention, c'était à, à, peut-être aussi partager là-bas. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, en tout cas, de d'un point de vue, c'est une bonne chose. Qu'il faut pérenniser. Il faut, oui, oui, il faut vraiment pérenniser parce qu'il faut qu'il y ait un cadre où l'éleveur lambda aura directement à écouter une autorité importante, à mon avis. Ça, c'est une bonne chose. Mais les différents soutiens que le maire a, a listés, les quelques sacs, en tout cas, bon, ça, moi, je ne trouve pas une importance à ça. De mon point de vue, c'est véritablement le contact, entendre certaines choses. Et s'il y a des décisions ou bien des, nouvelles politiques liées au secteur de l'élevage, c'est le moment de les entendre directement et de les partager au retour à la maison. Ce n'est pas aussi folklorique comme le dit Mansour Bon, il y a quand même le folklore, il faut le dire, hein, mais il n'y a pas que ça, en fait, moi, de mon point de vue. Il n'y a pas que le folklore. Hum, qu'est-ce que vous avez retenu de l'édition passée Bon, et moi, je n'ai pas été personnellement, j'ai suivi le discours oui, En tant qu'arène oui, ils ont parlé en tout cas de beaucoup de choses, notamment les, stratégies, la, la, fièvre de la vallée du Rift qui est là. là. Donc, mm. toutes les sensibilisations qui, sont autour du secteur de l'élevage pour que les gens entendent directement. Donc, il y a eu beaucoup de sensibilisation dans ce sens-là. mon avis, c'est une bonne chose parce que certains ont appris parler de certaines choses mais ils ne les ont pas entendues. C'est sous forme de rumeurs qu'ils ont pas entendues directement de ces mm. autorités-là. Mm. On va écouter d'autres appréciations euh, des éleveurs qui ont participé, qui ont fait le déplacement pour, euh, Ingal, justement. Je vais parler de, de la fête d'Ingal. Donc, c'est l'occasion pour écouter, comme vous l'avez dit, pour aussi dire euh, ce qu'on pense. Hein. Donc, à ce sujet, nous allons écouter deux éleveurs euh, Aujourd'hui, l'élevage ne marche plus chez nous. Il n'y a pas de fourrage. L'herbe ne pousse pas. L'eau de surface manque pour l'abreuvement. Autre problème, la recrudescence des maladies du bétail. Or, on dit que l'État donne de l'aide. Mais ici, à notre niveau, nous les éleveurs, nous ne recevons rien. Surtout avec les, mines, par exemple, la société des mines de euh, il y a des animaux qui meurent, il y a les gens qui tombent dans les, dans tout ça là la route, c'est une route dégradée, sans panneaux, sans rien. Beaucoup d'accidents chaque fois sur cette route-là. Vraiment, nous sommes menacés par les sites d'exploitation d'uranium. On a des problèmes avec eux. L'eau que les animaux boivent avec les sites d'uranium est, pour te dire plus exactement, à 11 km de Azélie, c'est des sources naturelles qui jaillissent du sol. Aujourd'hui, ils sont taris. Il n'y a plus rien, même pas une goutte. il n'y a pas d'eau. Et de l'autre côté, les animaux meurent parce qu'ils boivent cette eau-là. On a beau crier, on a beau dire, mais rien ne s'est passé. Dans le temps, il y a eu l'insécurité, mais maintenant, Dieu merci, tout est vraiment dans l'ordre. Il n'y a aucune menace. au côté des éleveurs, il n'y a pas de problème. Il y, a, des petits voleurs, ça n'importe partout, il y en a. On peut en trouver des, des, des galeuses, ça, ça ne manque pas. Voilà des éleveurs qui témoignent à la à Dingal avec euh, notre envoyé spécial, euh, Souman Amadou, qui était là-bas. Abarchi, vous êtes de la reine, vous avez bien écouté. Euh, le premier a parlé de fourrage et des maladies. Pratiquement, ils sont exposés. C'est pas un peu trop dire Non, ils ne sont pas du tout. C'est pas trop dire. En fait, c'est la réalité. C'est effectivement ce qui s'est passé dans la zone là. Ils sont vraiment exposés. Parce que voyez-vous, le second a parlé même d'azélique. On viendra sur cet aspect. D'accord. Donc, dans tous les cas, les gens sont exposés par rapport à, ce manque de pâturage, manque d'eau, comme il l'a dit, et, surtout la santé animale. Il l'a bien dit. C'est vraiment, c'est réel, c'est des situations réelles parce que, voyez-vous, même durant les campagnes, hein, ce n'est pas tous les mandataires qui vont partout dans ces zones-là. Ils prétextent qu'il y a l'insécurité. Et vous avez bien entendu, l'un d'eux a dit qu'il n'y a pas d'insécurité, ou bien c'est le maire. En tout cas, quelqu'un a parlé de cela. Ce que les gens veulent travailler, hein, mais ils ne veulent pas travailler partout. Dès qu'ils ont un prétexte, ils préfèrent quand même venir là où c'est beaucoup plus facile pour faire les différentes vaccinations. Donc ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. vous indexez qui C'est l'État Vous aussi, vous êtes avec eux Bien sûr. pour, Vous savez, la vaccination, c'est les mandats qu'on donne. C'est des mandataires c'est souvent les, auxiliaires, euh, comme ils appellent SVP, services de proximité. Ceux à eux qu'on donne, et souvent c'est les agents de l'État. Mais ceux-là, ils ne vont pas partout. Hein. Il, y a des, il, des, éleveurs qui ne connaissent pas la vaccination. Mais est-ce que vous, vous les sensibilisez Nous, on les sensibilise, on fait même des histoires avec eux, comme vous savez, et on les dénonce. Ça, on le fait. Ceux qui ne participent pas à la campagne de vaccination. Ceux qui ne vont pas partout, ceux qui ne font pas bien la campagne, pas qu'ils ne participent pas. Ils participent, mais ils ne font pas. Il cet aspect de. Je, je, crois que ça met en, deux, en valeur deux personnes deux, deux acteurs. Il y a l'État à travers les services vétérinaires, mais aussi à la contribution de l'éleveur lui-même. Il faut qu'il se donne le moyen d'aller. Oui, mais l'éleveur, on doit le trouver là où il est pour lui faire. Ou bien on, crée des centres de regroupement. Mais si on, crée un centre de regroupement à 50 km, ce n'est pas lui faciliter la tâche. C'est clair. Donc il faut faire le maximum pour, les approcher, en tout cas pour qu'ils s'approchent de l'éleveur, pour qu'ils puissent avoir le service. Mohamed Al-Mansou, le, le a la même façon de voir Est-ce que, les éleveurs sont abandonnés Je ne bon, je dis pas que les éleveurs sont, sont abandonnés, mais je dis tout simplement que il faudrait créer les conditions pour que l'éleveur, pour que les services sociaux euh, de base soient accessibles à l'éleveur n'est-ce pas, pour qu'il soit accessible. C'est vrai au niveau des, des, éleveurs, comme dans toute société humaine il y a toujours des gens qui refusent de comprendre ou qui, qui sont récalcitrants. Actuellement, qui pensent que donner 100 francs, c'est un problème. Il y en a. La campagne de vaccination est actuellement en cours. Hein? La campagne est lancée, nous y étions dans le lancement de la campagne. En tout cas, elle est lancée. Et nos organisations sont en train de sensibiliser. Récemment, nous venons d'Aïrou où nous avons fait une rencontre de, pour cette, pour cette bande-là, pour que les éleveurs, en tout cas, puissent contribuer, etc. Mais ce qu'il y a, comme il a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a la question des mandataires, effectivement. Mais souvent, il y a un problème parfois, de mon point de vue, hein, c'est ce pas pour attaquer X ou Y, de suivi. Si vous donnez le travail à quelqu'un, vous ne le suivez pas. Parce que c'est l'État qui donne, tous ces moyens. C'est le budget national, etc. Vous donnez à des privés pour aller vacciner, etc. Donc, il, a, faudrait qu'il y ait un suivi quand même rigoureux vis-à-vis -vis de ces mandataires-là. Mais ça aussi, c'est votre rôle en tant qu'association notre rôle, notre source, on fait un travail, on fait un travail de veille, de la, on fait de la veille citoyenne. Effectivement, quand nous constatons des choses qui, nous paraissent peu recommandables, nous, les disons, n'est-ce pas Nous allons vers les services techniques, nous allons vers le ministère de l'élevage pour en tout cas plaider, faire les plaidoyers c'est tout ce qu'on peut faire. Vous, avez le soutien des bailleurs de fonds Pour accompagner. Nous avons nos partenaires traditionnels, nous avons nos partenaires qui sont avec nous, qui nous appuient, etc. Mais nous, nous, en tant qu'arène, en tant que Capan, etc., nous faisons de la veille citoyenne. On ne peut pas remplacer l'État, mais on accompagne les actions de l'État. On aide l'État, en tout cas, pour euh, en tout cas bien remplir sa mission, puisque nous sommes en tout cas des organisations euh, qui sont proches de ces communautés-là. Nous faisons de la veille citoyenne, de la sensibilisation pour que effectivement. Euh, Apparemment, vous, n'êtes pas bien entendu, c'est une hmm. question des moyens. Entendu avec qui L'État, si, quand vous faites votre vie il vous faites la situation. Nous, quand on fait nous, c'est tout notre devoir. on fait, on, souvent, on trouve des solutions, souvent, notre fois, mais notre rôle, notre devoir, c'est de faire cette veille citoyenne. Tout à l'a dit par rapport aux mandataires, si nous, nous arrive de constater que des mandataires dans certaines zones, ils ne font pas bien leur travail, etc., c'est d'approcher les services de l'élevage pour dire qu'à telle zone de, de, ou d'Ayuru ou de Nates, il y a tel problème par rapport à tel mandataire, et nous voulons que ceci, c'est ça. Mais c'est comme ça, c'est le, le, le les ministères ou les services écrits vont prendre disposition. Mais j'ai dit tout, tout, tout à l'heure que quand, euh, quand on injecte des milliards, etc., etc., il faut un suivi de proximité. Euh, Monsieur Abachi, vous voulez vous prononcer sur le deuxième témoin, sur Azélique Oui. Le cas d'Azélique, est-ce que l'ampleur est telle Particulièrement, moi j'ai été à, Sur la question des. Et j'ai fait une étude là-bas. Il y a un rapport que j'ai. Ah, dans la région d'Agadez Azélique, Je suis allé à Azélik. C'est dans la région d'Agadez Dans la région d'Agadez, donc la commune d'Ingal, où il y a la société Somina. Donc il y a une exportation de l'uranium et c'est à ciel ouvert. Il n'y a aucune protection par rapport à toutes les ressources. Si bien que euh, les, eaux usées du minerai coulent et vont dans les différentes mares. Ça, c'est clair. Donc, ça, ça constitue un problème. Nous avons dénoncé ça. Des mesures n'ont pas été encore prises. Autre chose, voyez-vous, comme il l'a dit, il y a des sources. Hein. À l'époque, il faisait beaucoup de choses en termes de maraîchage. Il y avait des sources de l'eau qui coulent comme ça. Aujourd'hui, les sept, moi je les ai toutes visitées, ont tari. Donc, ils n'ont même pas de l'eau véritablement. Donc, c'est des problèmes. Il y a même des conséquences véritables liées à la situation sanitaire parce que même le boucher, quand je me suis entretenu avec lui, il a dit que les animaux qu'il égorgeait par le passé et ceux qu'il égorge maintenant, la nature de la viande, ce n'est pas la même chose, même au niveau des intestins. C'est une page noire comme cette autre page de, l'année. Euh, je veux parler euh, on va conclure avec ça. Des affrontements qui ont opposé en novembre dernier éleveurs et agriculteurs à Bangui dans la région de Tawa. Le bilan euh, dressé par le ministère de l'Intérieur, c'est 18 personnes tuées et 43 autres blessées On ne va pas faire beaucoup de commentaires là-dessus, mais euh, quelle est à, l'heure actuelle la situation Est-ce que ça a bien évolué que vous avez 30 secondes. 30 secondes, c'est que ce qui s'est passé à Bangui, en tout cas moi, ça me paraît très surprenant que, des, communautés aient tout le temps nécessaire pour s'organiser et attaquer, sans que l'autorité, ni administrative, ni coutumière, ne soit au courant pour alerter qui des droits. mais l'autorité a finalement sévi, non on a arrêté déjà, mais nous, nous, nous, nous, nous, en tant que défenseurs de ces éleveurs et de tous les citoyens nigériens, par rapport à nos organisations, nous ne voulons pas qu'il y ait mort d'homme avant d'agir. Nous faisons de la prévention. Nous, nous voulons qu'il y ait des préventions. Ce qui s'est passé à Bangui, c'est très regrettable et nous souhaitons quand même que ça ne reproduise plus. Ça nous paraît, personne, ça m'apparaît comme une animosité qui était installée. Non, ça, on en a déjà parlé. on va donner à Barchi 30 secondes. Hein. Qu'est-ce qu'il y en a Quelles sont les dernières nouvelles Non, c'est bon. De façon générale, pour éviter les conflits, ça, ce n'est pas un conflit agriculteur-éleveur. C'est clair, puisqu'il n'y a pas eu de dégâts. Les gens sont venus dans la ville brûler les maisons des gens. Et vous voulez que ça soit traité comme agriculteur-éleveur C'est des situations qu'on connaît un peu partout, mais il y a quand même eu une amélioration. C'est vrai, cette année, ça a noirci 2016. Euh, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de choses, les gens se sont rencontrés et il y a... Moi, je pense que maintenant, c'est un appel. Il faut que la justice fasse son travail véritablement. Merci beaucoup. Donc, euh, une bonne conclusion avec Haruna Barchi de l'Association pour la redynamisation, de l'élevage au Niger à Rennes. Et puis Mohamed Al Mansour qui représente euh, le collectif des associations pastorales du Niger, le Capan. Vraiment, merci beaucoup d'être venu pour faire un peu le point de euh, l'année 2016. C'est juste un aperçu. Merci à vous, chers auditeurs. Bonne soirée.